Vierge Marie, Notre-Dame de Morolon, vous couvre de son manteau maternel mbokk Sante Yalla yàlla war nañu tey ndege Fukiat at a ngi may suñu dit Monseigneur André Gay. Samkat Boubar, baax naturel oyof am Yermande, te jege mbootaayam sàmmkat bu bëgg ñaan am pas-pas ci liggéey waari Léonsil bi te di ut pexe ngir suñu diocèse jëm kanam ci fànn yi yépp nee nañu ku lim juum wande may leen ma tey ma lim li monseigneur André sàkk fii ci Thiès mbaa li mu lawloo monseigneur André Guèye sàkk na UCAO Isaïe Thiès moo di taawam sàkk na ak ay paroisse ak secteur yu bëri yu bees indi na station API lawloo vocation yu bëri fal ñaar fukki labbe ak ñett indi ay congrégation sœur yu bees lawloo jumelage diggante Thiès ak Bamberg ak diggante Thiès ak Saint-Claude

est une occasion de faire une relecture du passé, un moment pour s'arrêter et rendre grâce à Dieu et un tremplin pour se projeter. C'est ce que nous voulons faire toute cette année durant en tant qu'Église Famille de Dieu à Thiès en marche vers le synode. Et la providence divine a voulu que ce jubilé soit vécu durant cette année préparatoire au synode sur la synodalité ce jubilé soit vécu comme une échéance vers notre synode diocésain. Ainsi, il est comme un entraînement, un exercice pour bien vivre cette assemblée synodale prévue à partir de l'année prochaine. Chers diocésains, je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier d'avoir accueilli, aimé et soutenu Monseigneur André Gué depuis dix ans dans son travail pastoral. Nous pouvons affirmer que depuis dix ans, une grande vitalité de notre Église diocésaine s'est fait sentir dans tous les secteurs et dans tous les âges. Continuons à faire de la communion, de la participation et de la mission avec lui une réalité pour que la bonne nouvelle de Jésus soit enracinée dans les cœurs et les esprits et que notre pays puisse se laisser renouveler par l'Esprit Saint. Le nouveau défi attend notre Église sous la houlette de son pasteur. Le premier défi et le plus grand, c'est la sainteté. La sainteté. Il y a également le défi du synode diocésain qui nous permettra d'envisager l'avenir après 50 ans d'existence. Le défi de l'autonomie du diocèse du point de vue pastoral et économique le défi de la formation des laïcs et le défi de l'extension de la mission Agentes. Autant de défis qui demandent l'engagement de tous. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que nous ayons une belle célébration. La commission de liturgie, avec Abbé Joseph Diokel Kama à sa tête, la chorale saint anne pour ses beaux chants, les servants d'hôtel, les lecteurs, etc. mbokk yi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp ñu dikk ngir ñaanal te ñaan ak monseigneur André Guèye yéen l'abbé yi diacre yi frères yi sœurs yi séminaristes yi ak laïc yi yëpp maa leen di gërëm di leen sant naa leen yàlla barkeel te gën ñoo boole ñu nekk benn ci biir jàngu bi te di dunde coofeel ak solidarité ngir ñépp xam ne ay taalibe Christ bi lañu

que le Seigneur vous garde dans sa paix et sa joie et fasse de nous des témoins de son évangile que le Seigneur accorde à Monseigneur André Gay une longue vie qui lui donne un cœur fidèle sage et bon je vous donne rendez-vous le samedi 20 janvier 2024 pour la clôture solennelle de cette année jubilaire euh, la motivation elle est spirituelle parce que être évêque, être guide, être responsable, premier responsable du peuple de Dieu dans son diocèse, de l'église locale, c'est une mission que l'on reçoit de Dieu. C'est Dieu qui a porté son choix sur moi par l'intermédiaire du pape Benoît XVI à l'époque. Quand l'Église d'autres une charge. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous adhérons parce que c'est un choix de Dieu. Et l'Église en est l'interprète par la force, la lumière et la présence du Saint-Esprit. Donc ma motivation, c'est de répondre chaque jour à cet appel du Seigneur en remplissant fidèlement ma responsabilité, qui n'est pas seulement, qui ne s'inscrit pas seulement dans l'agir ou dans l'enseignement, c'est aussi dans la sollicitude, l'attention euh, envers les fidèles et plus spécialement envers les plus pauvres. Cela déborde le cadre de l'Église. L'évêque est l'évêque de tout le monde, chrétien comme musulman. Et les musulmans le comprennent très bien. Donc je suis là pour tout le monde et je m'efforce, avec la grâce de Dieu, puisque c'est une mission de vie, de répondre aux attentes des fidèles qui sont autant de défis, autant de tâches auxquelles euh, je dois euh, correspondre chaque jour. Comment je le fais Il y a d'abord euh, les collaborateurs les plus proches, les vicaires. dans le langage profane, on dirait des adjoints, chacun chargé d'un secteur particulier. Mais ma première fonction, c'est de sanctifier le peuple de Dieu à travers la prière, l'enseignement est guidé, comme vous l'avez dit, sur le chemin que je crois être le meilleur qui correspond à ce que Dieu attend des fidèles, attend des croyants. Et bien sûr, l'Église s'active dans ce qu'on appelle la pastorale sociale. La pastorale, c'est-à-dire tout ce qui permet aux hommes euh, de rester debout, euh, d'avoir une vie digne sur Terre. Et c'est pourquoi, vous le voyez, euh, nous nous engageons beaucoup dans le domaine de la santé, avec à référence l'hôpital, qui ne cesse de reprendre vigueur, de se rajeunir, de s'améliorer, de se développer. Mais je n'oublie pas les postes de santé, les dispensaires éparpillés dans les villages les plus lointains avec le zèle des sœurs, des religieuses qui s'occupent des plus pauvres. La santé, la promotion de l'homme, le développement intégral, disons. La Caritas s'en occupe de façon spécifique pour, pour soulager les souffrances des plus pauvres. Ça, c'est le euh, de votre qui est comme mon bras social dans ce domaine. Mais il y a aussi la tâche de l'enseignement, avec la direction de l'enseignement. Vous voyez vous-même euh, l'investissement que l'église de Thiès fait pour assurer aux chrétiens comme aux musulmans une qualité dans l'éducation des enfants. Je ne dirais pas l'instruction, mais dans l'éducation intégrale qui comprend les valeurs, qui comprend l'esprit et le cœur. Parce que l'Église veut promouvoir tout homme et tous les hommes. Voilà donc de euh, résumer les responsabilités, les tâches auxquelles euh, euh, je me consacre quotidiennement. Bon, il y a 10 ans, donc je ne suis plus jeune. <laughs> voilà. Mais la jeunesse est dans le cœur et dans la motivation, dans l'état d'esprit. Et de ce point de vue-là, je suis jeune parce que je bouge. Le pape François avait dit aux jeunes de ne pas être comme des anciens calfotrés dans le divan. Je bouge, je prends des initiatives, je suis actif. Mais la construction, ce n'est pas seulement le bâtiment, mais c'est avant tout la construction du cœur et de la communauté. Parce que l'Église, c'est la communion, c'est la solidarité, c'est l'amour fraternel. Et c'est de cela que doivent découler toutes les infrastructures qui permettent, qui favorisent cette communion-là. Et bien sûr, les jeunes constituent une préoccupation majeure depuis le début euh, dans mes responsabilités. Euh, avec les amis, les partenaires, nous avons pu construire cette maison, en tout cas une première phase qui faisait développer la maison des jeunes un espace de rencontre, de, culture, de, euh, de formation, euh, mais d'éducation à la paix, à l'écologie, aux valeurs fondamentales qui structurent l'homme et la société. Euh, je compte beaucoup avec les jeunes. Je ne dis, pas je ne dis jamais qu'ils sont l'avenir, mais ils sont le présent. On doit s'occuper d'eux pour qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils sont et puissent porter cette société-là. Ce qui se passe dans le pays le montre bien que les jeunes doivent constituer le souci majeur de l'Église comme des politiques. C'est la paix. C'est seulement la paix. La paix qui se construit dans la justice, la justice envers les personnes, mais c'est la justice envers les institutions et envers la justice elle-même. Que chacun respecte l'autre, respecte les institutions, respecte les droits fondamentaux de chaque individu qui sont inviolables, mais que l'on respecte ce qui nous fait vivre ensemble, sans lequel il n'y a pas de paix possible il faut des concessions, mais il faut le dialogue, il faut la rencontre, il faut surtout le dépassement, la rencontre et le pardon. Le pardon qui est une base sûre pour construire la paix sans rancœur, sans racune, euh, sans désir de vengeance et sans mépriser, mépriser l'autre qui n'est pas, qui est certes euh, euh, un adversaire politique, mais pas un ennemi, parce que nous sommes tous mus, nous devions tous être mus par le bien commun et la paix euh, en, occupe une place première. Parce que sans la paix, rien n'est possible. C'est un programme. Parce que ce qu'on a perdu, c'est difficile de le reconstruire. Mais ce n'est pas impossible. La religion est là pour ça. La religion, il faut qu'on respecte les valeurs religieuses. L'homme est fondamentalement religieux. C'est cela que nous croyons. Et les religions véhiculent des valeurs humaines et spirituelles. Mais il faut connaître les religions il faut euh, écouter les chefs religieux, investir ce pouvoir d'enseignement des chefs, en tout cas qui indique la bonne direction morale. Il faut aussi revenir aux fondamentaux, c'est d'abord la famille. Respectons les familles, aidons les familles à s'épanouir, euh, respectons les droits des familles. Et les jeunes également, euh, le commandement du Seigneur l'a dit, honore ton père et ta mère, ça c'est valable pour tous les temps. Les jeunes n'ont pas inventé le monde. On a besoin toujours de guides, de guides sages, intelligents, qui ont de l'expérience, c'est-à-dire de l'expertise. Parce qu'ils ont traversé des épreuves dans la vie et qui peuvent nous aider à traverser nous aussi les épreuves que nous rencontrons sur le chemin. Les valeurs traditionnelles, familiales, religieuses et spirituelles sont les, les racines, en tout cas la condition du développement. Senghor l'a bien compris quand il parlait de culture, la culture. La culture englobe aussi la religion.

jiite mbootaay jàngu bi nekk Thiès ci yoonu sellaay yoonu jub yoon bi neex yàlla bokk na ci dog ma xamal ma jàngal nit ñi euh, euh, téere yu sell yi di ko firi ak li ñu war a gëm li ñu war a gëm bokk na ci ma sellal leen ak pexe yu sell yi mooy sacrement yi bokk na leen moo joxoñ leen yoon fi ñu war a aw ndax ñu bañ a. Euh, ñu bañ a voilà donc c'est le l'enseignement la sanctification et le gouvernement alors pour loolu am itam euh, donc l'église à Thiès am na ay secteurs yi mu yi mu gën a fësal affaire wérgum yaram affaire éducation l'école yi ak affaire jàppale doomu aadama oyofal ko coono yi loolu bokk na ci li jàngu bi Thiès di fës man nag bi ma bi ñu ma falee ba tey jeunes yi nekk nañu bokk nañ ci suma soxla yi moo lepp li len meuna tax ñu jëm kanam maa ci ak ñom voilà maa leen di ñaax jeune yi surtout ñu jël place société mais avec responsabilité way ñu déggal déggal déggal Nous yi njitu kelifi yi ñu ñu ci ci euh, valeur ci yi tax ba suñu euh, nekk en tout cas mel ni mu mel jikko yu rafet yi loolu jikko yooyu nag ñu ngi téere sële yi waaye ñu ngi ci njaboot yi ñu ngi ci aada jeunes yi war ngeen leen gànnaayoo ngeen bañ a surtout nag saxal jàmm ndege jàmm boo amul dara du am seen avenir sax euh, dina dina euh, du neex wala dina wala dina am gàllankoor jàmm kon ku bëgg jàmm ànd leen ak moom ngeen ànd tabax suñu réew merci